le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du les auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous journalier, le forum du studio Kalangou. Vous êtes nombreux à suivre le programme du studio Kalangou diffusé chaque jour en direct de Niamey par un réseau dynamique de 34 radios partenaires couvrant toutes les capitales régionales et une vingtaine de départements du Niger. À Niamey, vous nous suivez à travers Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz c'est Challenge FM 96.6 Mégas. notre page Facebook, c'est Studio Kalangu et notre site internet www.studiokalangu.org. Nous sommes également sur WhatsApp. C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons pour cette émission radiophonique à travers laquelle le Studio Kalangu invite des spécialistes et autres personnes ressources qui viennent répondre aux multiples questions d'actualité et de société que vous vous posez régulièrement dans le respect mutuel. Ce soir, nous vous proposons une, thématique en lien avec le droit et la justice. Il s'agit du thème citoyenneté et infraction, les différents types d'infractions, les peines risquées et leur délai de prescription en République du Niger. Comme vous le savez, toute société est régie par des règles sociales ainsi que des lois propres à chaque pays pour organiser et faciliter le vivre ensemble et assurer ainsi le respect des droits de chacun et la prévention des conflits par l'État à travers des institutions fortes à travers lesquelles la justice est rendue sur l'ensemble d'un territoire au nom du peuple dans le strict respect de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen dans un État démocratique comme le Niger, tel que stipulé dans les articles 116 et 117 de la Constitution du 25 novembre 2010. Dans le droit pénal, cela justifie le principe selon lequel nul n'a le droit de se faire justice lorsqu'un citoyen ou une personne morale estime être victime de préjudice, recourir à la justice est la seule voie à suivre pour trouver réparation et ce conformément au Code de procédure pénale qui classe les infractions en trois catégories. Que signifie donc une infraction et quelles sont les différentes infractions pénales Qu'est-ce qu'une poursuite civile Qu'est-ce qu'une poursuite pénale Existe-t-il des sous-groupes le Niger a-t-il une particularité à ce sujet Qu'est-ce qu'un crime imprescriptible Quelles sont les catégories d'infractions imprescriptibles au Niger qui décide de l'aspect prescriptible ou non d'une infraction dans le code pénal, le code de procédure pénale du Niger, quel est le délai de prescription pour une poursuite en infraction, quel est le délai de prescription pour un condamné absent, en fuite ou et ou décédé. Quels sont les obstacles ou insuffisances constatées dans les poursuites ou applications de la loi en matière d'infraction Ce sont là les principales questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec nos invités. Il s'agit du magistrat Ayouba San, ancien secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le deuxième invité est Maître Moussa Mogou. Il est avocat et vice-président de l'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN, que nous avons en ligne. Maître, bonsoir. Bonsoir à vous. À la présentation, vous avez Michel Deji. Commençons par définir les termes, Monsieur Ayoub Hassan. Qu'est-ce qu'une infraction pénale et quelles sont les différentes infractions que nous avons Donc, euh, merci bien. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, l'infraction, c'est une violation donc, de la loi pénale. En fait, il s'agit donc d'un fait antisocial qui est prévu et puni par la loi mhm. et qui est imputable donc à quelqu'un à son notaire. Là. Mhm. Effectivement, donc le constituteur, le législateur nigérien a distingué ces infractions en fonction de, de leur gravité. Mhm. Donc c'est pourquoi donc il y a d'abord euh, le crime, mhm. ensuite il y a le délit. Qui a le plus haut niveau. Voilà, l'infraction la plus grave, quoi. En mhm. fait, ça veut d'une peine plus grave. On va venir donc euh, au canton de peine. Parce que la définition des infractions, c'est lié effectivement à la peine encourue. Donc comme on l'a dit au niveau de, appelle, de l'article 5 du code euh, pénal, l'article 6, voilà, donc voilà. Euh, voilà, donc les peines, l'infraction que la loi punissent, au niveau de l'article 1, donc mhm. l'infraction que la loi punisse de peine de simple police est une contravention. L'infraction que la loi punisse de peine correctionnelle est un délit. L'infraction que la loi punissent d'une peine afflictive et informante est un crime. Donc ça, c'est le principe posé au niveau de l'article 1. Donc c'est l'article 5 qui définit ce quoi donc euh, d'abord des peines afflictives infamantes. Mhm. Donc ces, peines, il s'agit d'abord de la peine de mort, mhm. donc de l'emprisonnement à vie et de l'emprisonnement de 10 à 30 ans. Voilà donc mhm. les trois types de peines qui caractérisent le, crime. Voyez-vous Donc toute euh, infraction, donc tout celui qui a commis une infraction et qui est puni de ces peines-là, donc il est atteint qu'on donc pour un crime. Euh, au niveau de l'article 6 du Code euh, pénal, qui définit donc le canton de peine au niveau des délits, qui dit que donc les peines en matière correctionnelle sont l'emprisonnement d'une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 10 ans. Mhm. Voyez-vous Donc, pour les délits, c'est 30 jours à 10 ans. Mais la loi précise que, sauf les cas de récidive ou trafic et consommation illicite de stupéfiants, où la loi aura déterminé d'autres limites. Parce que mhm. dans ces situations-là, on peut aller au-delà de 10 ans, mais ça reste toujours un délit, parce que ça, c'est une disposition spéciale de la loi. En dehors donc de cette emprisonnement, il y a aussi l'amende, mhm. qui est considérée aussi comme une peine correctionnelle. Voyez-vous Donc l'amende aussi est considérée comme une peine correctionnelle. Aussi, il y a ce qu'on appelle les peines complémentaires, notamment donc l'interdiction à temps de certains droits civils, euh, civiques euh, ou de famille ou de séjour. Ça, c'est pour ce qui est des délits. Mhm. Ensuite, donc, au niveau des, peines de simple police, donc par rapport à la contravention, mhm. c'est l'article 400 du Code pénal qui donc, distingue les peines de simple police. Il s'agit donc d'une durée de 1 à 30 jours. 1 à 30 jours. à jours pour ce qui est de contravention. Et l'amende de 500 francs à moins de 100 000 francs. Donc, si mhm. vous êtes dans cette fourchette-là, donc, euh, vous êtes donc coupable donc, de, contravention. Donc, voilà comment le législateur encadrer les choses. Le, crime, mhm. le délit et les contraventions. Parce que ça a des conséquences sur la poursuite, sur les autorités chargées donc, de la poursuite. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à la classification selon la gravité. Parce qu'il y a d'autres types de classification, mhm. mais ça rejoint toujours la même chose. Parce que ce qui importe pour le système répressif, c'est les crimes, les délits et les contraventions là, ça permettra de ratisser l'arche et de, faire le poursuivre. S'il faut récapituler, on peut donc dire qu'une infraction, lorsque vous êtes condamné mm. à une peine allant de 1 à 30 jours, c'est une contravention. Voilà. Lorsque ça va de 30 jours mm-hmm. jusqu'à 10, ans, vous êtes dans un délit. Dans un Et lorsque ça dépasse 10, ans, voilà. jusqu'à la peine de, mort, voilà. c'est un, crime qui a été commis. Comme voilà. Monsieur le juge, on parle souvent du principe de territorialité dans une infraction. Mhm. Pouvez-vous nous, nous, expliquer à ce niveau ce que ça signifie Oui, effectivement, parce que la loi, quand même, c'est d'abord voter pour un pays. Mhm. Hein, voyez-vous Donc, si on adopte une loi, c'est d'abord pour un pays. On ne peut pas légiférer pour euh, un autre pays. Voilà, parce que c'est l'expression de la volonté générale. Mhm. Mais la loi est faite par les députés et les députés nationaux. Maintenant, par rapport à la loi pénale, là encore, il y a une autre variante. C'est vrai, c'est un même pays, c'est vrai. Mais on tient compte, cette territorialité s'analyse par rapport au lieu de commission de l'infraction, mhm, mhm. au lieu de résidence des gens qui sont soupçonnés d'avoir participé, ou même au lieu de l'arrestation. Même si on a été arrêté pour une cause, voyez-vous, vous êtes à Niamey, vous avez commis une infraction à Maradi, on vous a arrêté donc à Niamey, donc c'est le juge de Niamey qui reste compétent. donc c'est en quelque sorte une manière ramassée, c'est ce que ça veut dire. Mm. Voilà. Vous êtes pour un même pays, mais au niveau de, chaque pays, il y a quand même des, autorités judiciaires. Mhm. Donc chacun, sa compétence est liée à, une juridiction. Voyez-vous Donc par exemple, le ressort du tribunal hors classe de Niamey s'arrête effectivement à la région de Niamey. Voyez-vous Donc toutes les infractions commises à Niamey, c'est ce procureur qui le poursuit. La même chose à Tilaberi et, et ailleurs. Voilà quand on quitte le territoire national, on a même l'impression qu'un acte euh, qui mhm. peut être euh, jugé mhm. infraction dans un autre pays, au Niger, peut ne pas être considéré comme étant une infraction. Bon, oui, mais ça, c'est ça la souveraineté quand même. Mhm. Chaque pays est libre de légiférer dans tel domaine ou tel autre. Voyez-vous, quelque chose peut être une infraction au Niger et, ne pas l'être au, Nigeria. Voyez-vous, mais il y a des situations où, même si vous commettez une infraction à l'étranger, on peut vous poursuivre ici. Au Niger. Au Niger. Si vous Selon êtes, le code eh, de eh, procédure pénale. si vous êtes nigérien, mm. vous avez commis une infraction à l'étranger, vous êtes venu vous réfugier au Niger, on peut vous poursuivre. Donc il y a des situations de particularité. Voilà. Mhm. Nous avons en ligne euh, l'avocat Maître Moussa Mogou. Il est le vice-président de l'Association des jeunes avocats du Niger. Maître, vous défendez souvent le principe de territorialité lorsque vous intervenez pour défendre vos clients. Que signifie pour vous ce principe mm. <clears throat> Merci. Merci vraiment de nous avoir accueillis sur ce plateau. Euh, le principe de territorialité dont vous parlez tantôt. Mhm c'est un principe qui permet de, délimiter les champs de compétences des autorités judiciaires à investiguer par rapport à un fait infractionnel ou même civil donné. Mhm. Maintenant, ça s'apprécie comment au Niger Si le territoire nigérien, le territoire du Niger, on ne peut pas parler en matière pénale, en tout cas, de territorialité. Mhm. Parce que si une infraction est poursuivie ici, les juges ou même les autorités policières, et judiciaires, policières qui sont chargées de l'enquête peuvent faire appel à d'autres unités se trouvant dans d'autres localités pour faire euh, amener une personne qui est poursuivie ou qui dans le être entendue. Sur le territoire national Sur le territoire national. Donc, pour ça, il y a coopération et saine, limite sans frontières, on peut le mhm, dire. Mhm. Parce que le juge a la possibilité, en tout cas sur le territoire, d'interpeller n'importe qui et n'importe où mhm entendre, même si c'est un étranger, s'il est sur le territoire, si des faits de l'incrimine, le juge a le pouvoir de l'interpeller, de l'entendre, de l'inculper au besoin. Mhm. Mais ce principe de territorialité s'apprécie surtout lorsqu'il s'agit d'un étranger mhm. dont les faits ont été commis à l'étranger mhm. et qui a été poursuivi ou du moins contente de poursuivre au Niger. Là, on peut dire autorité judiciaire, et même pénale compétente au Niger ne peuvent pas. Parce que récemment, d'ailleurs, on a eu un cas, mm-hmm. un Malien vivant au Gabon, qui a été poursuivi ici au Niger bon, par commission rogatoire. On a demandé à ce qu'il soit arrêté. Mm-hmm. Il, a arrêté. il a été arrêté, déféré au parquet, poursuivi devant le juge d'instruction qui s'est déclaré incompétent. Parce que les faits ont été commis au Gabon et la personne poursuivie lui-même et des nationalités maliennes. Donc, je pense que c'est une décision territoriale qui confirme davantage les principes de territorialité. Ouais. Euh, c'est ce que le juge vient d'expliquer d'ailleurs. Euh, Maître Moussa Mogo, en tant qu'avocat, la loi vous donne la prérogative d'intervenir dans la procédure de répression d'une infraction. Dès que la procédure est enclenchée, on parle de poursuite civile et de poursuite pénale. Expliquez-nous ces termes juridiques et les nuances. Bon, en matière pénale, effectivement, la loi nous donne la possibilité d'assister les personnes interpellées depuis la police judiciaire. Et cette euh, législation relève du règlement 05 IMOA sur la profession d'avocat. Mhm. Euh, en tout cas, à travers cette loi, on peut retenir que l'avocat est impliqué dans la procédure pénale dès à sa naissance ce qui n'est pas le cas en matière civile. Bon, pas exactement le cas parce qu'en matière civile, c'est l'avocat ou du moins c'est la partie qui prend l'initiative d'engager le procès. Et pour ça, elle peut faire appel à un avocat qui prépare les actes introductifs d'instance pour saisir la juridiction compétente pour trancher de la question. Mhm. Contrairement à matière pénale, où c'est la partie même qui porte plainte, il peut porter plainte directement au niveau de la police, il peut aussi saisir un avocat il va rédiger une plainte qu'il va, déposer au parquet et le parquet va envoyer la plainte dans une unité d'enquête afin de bien vouloir mener les investigations qui s'imposent avant de ramener les dossiers pour appréciation, mmh. toujours par le parquet. Maintenant, la frontière entre la procédure civile et la procédure pénale, logiquement, il ne doit pas y avoir de chevauchement, mais parfois l'interprétation prête à confusion. Par exemple, en matière d'avis de confiance, par exemple, on a constaté que dans la pratique, dès lors qu'il y a une remise, on euh, un défaut de restitution ou de retour, on considère cela comme étant habit de confiance. On ne cherche pas à savoir la qualité des parties et l'objet qui a entraîné cette remise. Parce qu'une procédure civile ou commerciale peut avoir tout son sens ici. Mhm. Imaginez des commerçants en transaction commerciale il y a une vente à crédit, ou même à crédit, si je peux le dire. L'autre, bien sûr, doit livrer la marchandise, mais au bout d'un temps, il doit attendre un paiement de l'autre. En cas de défaillance dans le remboursement, si l'autre partie, le, créancier porte plainte, généralement, on poursuit ici pour dire, ah, il y a eu abus de confiance parce qu'il y a eu remise, il n'y a pas eu restitution de la chose remise, et aussi le, fonds, comment, le prix n'a pas été restitué. Mmh. Logiquement, cette appréciation sur le plan pénal et aberrant. On sait que c'est du civil. Les deux parties, généralement, sont des commerçants et l'objet est commercial parce que c'est la, vente à crédit en de profiter de cette opération commerciale. Toujours est-il que la pratique ne cesse pas d'évoluer. On continue toujours à redresser les choses, mais on ne peut pas, en tout cas, lorsqu'une action pénale est engagée, on ne peut pas de manière définitive, tout de suite, dire que l'action est civile ou pénale. Chacun prend sa position la personne qui est poursuivie à travers son avocat va soutenir l'incompétence du juge pénal et l'autre partie aussi va toujours soutenir que l'aspect pénal est là et demande toujours à ce qu'il y ait répression. Mais cette distinction va encore plus loin parce que le juge pénal même accepte cette distinction parce que la personne victime d'une infraction peut porter plainte, mais il n'est pas obligé de se constituer partie civile devant le juge pénal. Il a la possibilité d'apporter cette action devant le juge civil, indépendamment du juge pénal, mais naturellement, il faut que le procès euh, pénal prenne Il faut qu'on ait une décision définitive au pénal qui va décider du bien fondé de l'infraction ou non avant, de, avant que la possibilité de saisir le juge civil puisse avoir tout son sens. Vous parlez de poursuite civile, vous parlez de plainte. Lorsque le citoyen décide, par exemple, de retirer sa plainte, est-ce qu'on peut dire que la poursuite euh, civile est terminée à ce niveau oui, la poursuite civile, oui. S'il retire sa plainte, ça veut dire qu'il ne réclame rien en retour, en réparation civile. Hum. Mais ça ne met pas fin à l'action publique, c'est-à-dire que le procureur n'est pas tenu de se retrait des plaintes-là pour mettre fin à, la poursuite. Il peut toujours poursuivre, mais c'est quand même un aspect qui allège un peu la, la liberté du prévenu en fonction du niveau de, poursuite. Si la partie civile retire sa plainte, on, pense on peut penser que l'ordre social il est rétabli, ou du moins la victime est remise de ses droits, ou du moins il n'exprime pas de la justice, il ne réclame pas de la justice parce que lui-même accepte à ce que l'autre soit libéré, ou du moins qu'on ne le poursuive pas. Parce que ce qui est recherché, c'est la, paix sociale, la justice, mhm. la quiétude sociale, mettre les personnes au même degré, en tout cas de droit. Si la victime dit non, voilà, moi je cesse, je ne veux rien, donc je pense que généralement le parquet aussi est un peu sensible par rapport à ça ils mettent fin aux poursuites, ils mettent la personne en liberté, ils classent parfois ou ils poursuivent en tout cas sous d'autres aspects. Lorsque c'est un crime, par exemple, le ministère public ne lâche souvent pas. Ah, il ne lâche généralement pas parce que le crime, c'est un peu c'est très grave, très grave. Donc, ça mérite quand même assez qu'on sanctionne pour, même pas pour, euh, pour réprimer celui dont ça concerne immédiatement, mm. mais aussi pour attirer l'attention des autres personnes qui peuvent prétendre, ou du moins qui ont l'envie ou le désir ou la prétention de commettre des actes pareils ou similaires. Merci, maître. Nous restons toujours en ligne avec maître Ayouba Hassan. Parlons à présent de cette euh, classification des infractions au Niger. Que disent euh, les tests à ce sujet, euh, notamment sur les délais de prescription Oui, merci bien. Donc, effectivement, la loi a défini donc la prescription même. En fait, c'est le temps s'est écoulé, pendant lequel s'il n'y a pas eu un acte d'instruction ou de poursuite, mm. donc l'infraction donc est éteinte. Donc, mais comme on l'a vu effectivement, c'est pas le même délai de prescription. Vous, par rapport au crime, c'est 10 ans. Donc, à compter donc de la commission de, de, cette infraction-là, si en tête il n'y a pas eu un acte de poursuite d'instruction, après le 10 ans, on ne peut plus donc poursuivre donc ce délinquant-là. Mm. Ça veut dire que bon, il est absous, on ne peut plus le poursuivre. Quant au délai, effectivement, là, c'est au délit, c'est donc trois ans. Mhm. Voilà, s'il n'y a pas eu un acte d'instruction. Parce que si entre-temps, il y a eu euh, un acte de poursuite, le délai commence à courir à partir donc du dernier acte. Voyez-vous Donc, mais c'est trois ans. Voyez-vous Et par rapport aux contraventions, là, c'est un an. Si peut-être que vous commettez une contravention, si après non, on ne vous a pas appelé pour répondre à ça. Donc, euh, l'infraction donc, est, prescrite. Voilà, donc c'est qu'on peut dire. C'est-à-dire périmé pour utiliser bon, un, familier. <laughs> Voilà, voilà. ça veut dire, mais euh, vous expliquez alors que nous avons un an pour la contravention, délai de prescription. trois ans pour le, délit, et, ans pour et les crimes, nous avons dix ans. ans voilà. Maintenant, avec euh, la, précision qu'il ne faut pas qu'il y ait un acte de poursuite ou d'instruction. Parce que le délai mhm. court s'il y a eu la poursuite là, mm. la cour à partir du dernier acte, on décompte à partir. Donc, si par exemple, on a lancé un, mandat, après on n'a rien fait mm-hmm. jusqu'à ce que donc, le délai expire, donc là, effectivement, la prescription est acquise au profit donc, du délinquant. Donc euh, nous avons ce qui explique qu'en droit, il y a des situations où le citoyen en infraction peut ne pas être poursuivi lorsque l'infraction a duré et qu'il n'a pas été euh, à ce niveau interpellé ou arrêté. Nous allons aller en profondeur euh, plus tard par rapport à, cela justement. mais est-ce qu'il n'y a pas de sous-groupes monsieur le juge, par rapport justement à ces infractions, quand on prend les oui, différents En fait, d'abord, la clause principale, c'est par rapport à ça. Mm. la prescription pour les, comment on appelle ça, pour les crimes de 10 mm. ans, mm. pour les délits de 3 ans et les contrebandes. Mais, effectivement, compte tenu de la gravité de certaines infractions, le législateur a cru bon de déclarer cette infraction imprescriptible. Hmm. Voyez-vous C'est-à-dire, si vous commettez ça, quelle que soit la, durée, vous on, peut, vous poursuivre. Hmm. Donc, hmm. c'est le crime de génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre, voyez-vous, conformément donc au statut de la, de la Cour pénale internationale. Donc le Niger a inséré ça dans sa législation. Donc si vous commettez ce genre de crimes, donc euh, c'est des infractions imprescriptibles, quelle que soit euh, la durée, on va vous poursuivre. Voilà. L'article 112 euh, de la Constitution précise d'ailleurs que pour ces crimes, euh, vous ne pouvez pas être gracié par le président de la République. Est-ce qu'il y a des spécificités, euh, monsieur le juge, par rapport à ces infractions en République du Niger Pour chaque pays, on peut dire, et qu'est-ce qui fait la particularité à ce sujet du Niger Moi, en fait, c'est toujours le principe de la souveraineté de l'État. Chaque pays, quand même, c'est en fonction donc, de, l'évolution de sa société, mhm. c'est de voir donc les faits qu'il faut poursuivre parce que le droit, quand même, c'est un produit de, la société. Mm. Voyez-vous C'est les députés qui légifèrent. Mm. Si donc on estime que telle situation avant n'était pas punissable, mm. aujourd'hui, ça peut évoluer. On a vu pas mal. Par exemple, si on prend le crime d'esclavage, avant, c'était pas un délit, oh, c'était même pas une infraction pénale. Maintenant, aujourd'hui, dans le code pénal, effectivement, c'est une infraction pénale. Donc, c'est... Il y a le crime d'esclavage, il y a le dé d'esclavage. Donc, ça, en fait, c'est en fonction de l'évolution sociale, le pays a lui devoir. voilà, il va les faire dans tel domaine, voilà. Nous avons l'avocat, maître euh, Moussa Mogou. Maître, à votre niveau, comment vous défendez euh, l'aspect prescriptible des infractions avec vos clients L'aspect prescriptible, c'est vrai, c'est un moyen de défense en tout cas important pour l'avocat si vraiment elle est acquise. Et c'est le premier aspect, je me dis que l'avocat doit vérifier du dossier lorsqu'il est constitué dans une affaire. Mhm. Une personne est poursuivie, on cherche à savoir les faits, la remonte des quand. Et c'est en fonction de ça, on pourra apprécier certainement, effectivement, du moins, comme l'a si bien dit le magistrat à côté le conseiller, la prescription en matière contraventionnelle, c'est de un jour à moins de 30 ans, de délictuels de 30 à moins de 10 ans, et les crimes de 10 à, oh là là, quoi, si on peut dire ainsi. Voilà, donc c'est bien cela, et je pense que cette appréciation prend naissance au moment de la commission de l'infraction en général. Mhm. C'est à partir de la date de la commission de l'infraction qu'on peut essayer de voir si la persécution est acquise ou pas. Toujours est-il qu'il y a des actes interruptifs euh, de, la prescription. Hum. Lorsqu'un acte d'infraction a été posé par un euh, s'agissant d'un délit, par exemple, dont la prescription est de trois ans, si au bout de deux ans, deux ans après la commission de l'infraction, la victime pose un acte de poursuite ou en tout cas judiciaire quelconque relativement au fait, la prescription est interrompue. On ne peut pas dire un an après qu'elle est acquise. Donc il y en a qui font ça lorsque, par exemple, la personne qui est poursuivi dans l'infraction essaye de prendre la fuite, comme on le dit, sur tout le territoire, mhm. et qui ne revient pas, peut-être pour chercher à acquérir la, prescription. La victime va à chaque année ou à chaque deux ans, avec l'assistance de son avocat, essayer de poser des actes chaque année ou chaque deux ans mhm. pour essayer d'interrompre la prescription pour que, au bout de 10 ans, 20 ans, si la personne revient, on peut dire que non, la prescription n'est pas acquise parce qu'il y a un acte qui a été posé mhm. il y a seulement un an ou il y a seulement deux ans de cela. Le délai de prescription est un de trois ans. Donc la personne ne pourra pas s'en sortir. Mais généralement, les gens ne s'entêtent pas sur ça s'il n'y a pas une haine personnalisée. Mhm. la prescription s'acquiert. Généralement, la partie civile aussi essaie de jongler s'il n'y a pas des actes qui retracent actuellement le jour de la commission, mhm. parce que si c'est en 2016, par exemple, l'autre partie peut dire en janvier, l'autre peut dire en décembre pour essayer de profiter de la prescription, mhm. mais s'il n'y a pas d'acte, je pense qu'on prend l'année tout simplement et le dernier jour de l'année peut être considéré comme étant la date de la commission de l'infraction. Du coup, banalement, on plaide en faveur de la victime pour essayer de dire que la prescription n'est pas acquise, mais on peut poursuivre pour essayer de mettre la victime dans ses droits merci, maître. Nous le voyons clairement, monsieur le juge, c'est donc un aspect qui est très délicat. Il peut y arriver, donc euh, on peut arriver à des situations où il y a un délai, mais euh, la personne est toujours poursuivie. Euh, mais qu'est-ce qui explique la prescription en droit en quelque sorte. Pourquoi le juge dit ou la justice dit parce que c'est il y a tel nombre d'années qui sont écoulées et qu'on ne poursuit pas parce que euh, on a l'impression que pour les familles victimes de préjudice, euh, dans tous les cas. Euh, l'erreur est toujours là posée. En fait, ils endurent toujours les conséquences de eh, l'acte posé. Effectivement, mais, comme mhm. vous dites, mais, il faut quand même savoir que le droit pénal, il y a des principes généraux. Mhm. Et la prescription fait partie de ces principes généraux. Parce qu'un acte, hein, aussi antisocial qu'il soit, mhm. euh, avec le temps, donc l'effet s'estompe. Voyez-vous ça veut que le trouble causé à l'ordre public, ça s'estompe. Donc on ne peut pas continuer à chercher quelqu'un peut-être qui a, vous a escroqué après 10 ans. Voyez-vous, donc c'est juste un exemple, quoi. Voyez-vous, donc euh, c'est pourquoi le, législateur a estimé que euh, au bout d'un certain temps, la société a oublié ou a pardonné. Voyez-vous. Donc, en fait, c'est la philosophie donc, de la répression. Lorsque, la victime continue à bon, poser des, actes, des actions en justice. Euh, mais mhm. non, il faut comprendre que ce n'est pas parce que c'est prescrit que l'action civile, elle, elle, est là. Mhm. Si vous estimez que la prescription acquise, mais vous allez au niveau de, de, juge civil, mhm. là, vous avez 30 ans pour le faire. Voyez-vous Donc, ce n'est plus une infraction pénale, mhm. mais c'est vraiment euh, un délit civil, comme on dit, quoi. Voyez-vous mhm. Donc, vous allez devant le juge civil pour dire bon, voilà, il me doit de l'argent. Alors, même qu'au début, vous avez estimé que c'est de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. Voyez-vous Donc, de peur qu'on ne vous euh, rétorque cela vous pouvez aller devant le juge civil, dire que bon, voilà, voilà les engagements qu'il a eu à prendre, il ne m'a pas payé dans le délai, je, viens devant vous pour que vous le condamniez à me payer, voyez-vous. Donc l'action civile est toujours là. Parce que mhm. comme euh, on le sait. Elle ne disparaît pas. voilà, il y a l'action publique et l'action civile qui est le panda, mhm. voyez-vous. Donc, si effectivement, vous ne pas, plus pour, sur le plan pénal, il y a des situations où vous pouvez aller devant le juge civil. Voilà, donc c'est comme ça. Mhm. Parce que l'affaire pénale, c'est l'affaire du procureur. Vous, en tant que victime, ce qui importe pour vous, c'est vos intérêts civils. parce qu'on on peut le poursuivre. Mm-hmm. Mm-hmm. Et maintenant, devant le juge, au moment du jugement, pour dire que vous ne considérez pas partie civil. c'est votre droit. Mm-hmm. Voyez-vous Donc, euh, ça, c'est comme ça. L'action publique, c'est pour le procureur. L'action civile, c'est pour la victime. Voyez-vous Donc, c'est ça. Vous savez que pour l'action civile, il n'y a pas de délai de prescription. Non, non, en fait, il y, a un délai, en fait. Hein. Mais c'est le, droit civil en fonction donc, de, la matière. Voyez-vous euh, sinon, mais le délai le plus long, c'est 30 ans. Mhm. On pouvait une action en, justice. voilà. Euh, voilà là, tu peux, voilà, c'est plus élargi. Voilà, Mais vous ne pouvez plus invoquer donc, euh, l'aspect pénal, mhm. voyez-vous, donc c'est ça. Qui est assumé par. voilà, mais il y a des situations où effectivement l'action civile et intimement lié à l'action euh, publique, mhm. là, bon, il y a des problèmes que peut-être devant le juge civil, ça ne peut pas prospérer. Ça dépend du cas d'espèce. Voilà. Monsieur le juge, euh, qui décide de l'aspect prescriptible ou non d'une infraction dans le code pénal et code de procédure pénale euh, en République du Niger Oui, en fait, c'est celui qui poursuit d'abord, c'est le procureur, comme je vous ai dit, mhm. en fonction de sa compétence territoriale. Voyez-vous donc, le ministère public. voilà, le ministère public, voilà. Donc, par exemple, toutes les infractions commise dans le ressort du tribunal de Niamey, sur le, parquet. Donc la, police judiciaire envoie les PV au niveau du, parquet. Maintenant, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle donc euh, les premiers actes de poursuite. Donc le procureur, il regarde son PV. S'il estime qu'effectivement le délai est dépassé, il n'a pas le choix que de classer sans suite. Mhm. Voyez-vous Mais si peut-être qu'il pense que ce n'est pas prescrit, il a quand même poursuivi. Mhm. Voyez-vous Mais il y, a le, il y a le juge d'instruction qui va apprécier cela. Mhm. Parce que ça, ça, le lie aussi, comme le juge de jugement. Donc, même à ce niveau, on peut élever la prescription, on fait un non-lieu. Voyez-vous mhm. S'il n'y a pas, si la prescription est acquise, donc c'est le non-lieu, il n'y a plus lieu à poursuivre. Comme devant le juge de jugement aussi, on vous a poursuivi pour une infraction donnée, vous et votre avocat, vous estimez que le temps est dépassé, mhm. s'agissant par exemple d'un délit, donc votre argument que vous allez brandir effectivement, c'est la prescription, parce que ça vous éviterait d'aller au fond. Voyez-vous donc, si le, tribunal estime que vous avez raison, ben, il va tirer les conséquences et dire que bon, il n'y a plus d'infraction, voyez-vous. Mais d'abord, c'est au niveau du procureur mhm. qui poursuit, qui est l'autorité de poursuite. S'il n'a pas classé sans suite, ça va devant les autres autorités judiciaires, au niveau du juge d'instruction. Voilà, lui, il peut faire un non-lieu au niveau, au voilà, le, tribunal qui juge. Donc, à, ces différents niveaux, on peut mhm. constater donc, la prescription. Et lorsqu'un condamné est absent, en fuite ou décédé au moment du procès oui, en fait, s'il est décédé, c'est ce qu'on appelle l'extinction de l'action publique. Mhm. Il n'y a plus quelqu'un à poursuivre. Voyez-vous, ça la, le dit clairement. Voyez-vous, mais si vous êtes seulement absent, donc on peut vous juger. Parce que bon, les actes de procédure, bon, il y a des modalités pour le faire. On peut signifier les actes à mairie ou à, à domicile, même à votre absence, tout ça là. Voyez-vous, mais maintenant, après, on, juge. Donc c'est ça le, le, défaut. Ça, le défaut, maintenant, qu'on a maintenant vous avez ce qu'on appelle euh, la possibilité de faire une opposition. Mhm. C'est-à-dire que c'est en votre absence, on vous a jugé. Maintenant, vous estimez que vous avez une voie de recours, vous revenez. Donc, vous allez attaquer cette décision. Maintenant, le juge, on va reprendre donc le jugement. Donc, c'est ça la voie de l'opposition. Donc, le jugement par défaut, vous pouvez l'attaquer par la voie de l'opposition. Si vous revenez, voyez-vous, maintenant, ça, c'est, on est en matière de lecture. Si, par exemple, c'est au niveau criminel, c'est la contumace. Mhm. Donc, c'est, mais c'est, les mêmes effets. Mhm. Vous n'êtes pas venu on, vous a jugé, maintenant vous pouvez faire opposition pour qu'on reprenne le jugement. Voilà. Au niveau de ces différentes infractions, mhm. est-ce qu'il y a des formes d'infraction mhm. où on ne peut pas du tout parler de, euh, de prescriptibilité à ce niveau Oui, oui c'est ce que je vous ai dit par exemple. Pour ce qui est par exemple du génocide, Mhm. vous Non, ça c'est les crimes. Bah, oui, oui. En fait, pour les délits et les contraventions. Par exemple, nous avons des hmm. recels et autres. Non, non, à, ce, niveau, on peut, ne on peut pas parler. Non, non, non, non, non. c'est seulement les, crimes euh, limitativement énumérés, génocide, les mhm. crimes contre l'humanité, qui sont frappés donc par le principe de la non-prescription. Maintenant, pour les délits, il n'y a pas seulement c'est le, comme, l'avocat l'a dit tout à l'heure, c'est le délai, les actes interruptifs. Mhm. Si on vous a poursuivi. Entre-temps, on a peut-être lancé un mandat ou autre. Donc, le délai pousse, se pousse, quoi. Voyez-vous Donc là, effectivement, ça, ça peut continuer. Chaque fois, on pose un petit acte sans vous rechercher véritablement. Maintenant, ça, ça, pousse. c'est toujours à compter donc, de ce dernier acte-là qu'on compte donc le, délai. Donc, euh, c'est comme ça. Maître Moussa, quelle lecture vous, vous faites à ce niveau de ce principe euh, en ce qui concerne euh, la prescription des infractions <coughs> bah, Donc, je m'adhère effectivement à ce que vient de dire le conseiller. J'aimerais juste euh, apporter quelques précisions relativement aux prescriptions. Mhm. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, effectivement, la peine peut se prescrire, c'est-à-dire l'action pénale peut se prescrire, mais l'action civile peut rester mhm. et démarrer. L'action civile a plusieurs variantes parce qu'on a un code de procédure civile qui tient compte de trois matières considérées comme étant civiles c'est-à-dire la matière civile pure et dure, la matière commerciale et la matière sociale. Donc, la matière civile pure et dure, on peut dire, on, retient que la prescription est de 30 ans. Mhm. Mais en matière commerciale, il y a deux formes de prescription. Il y a la prescription biennale et la prescription de 5 ans. Mhm. Il y a une prescription abrégée en matière commerciale, parce que cela a été institué par le législateur OHADA pour permettre, en tout cas, de, pour combattre la lenteur dans le processus. En matière commerciale, c'est la célérité qui fait la mise et c'est pourquoi les législateurs estiment qu'il faut abréger les délais de prescription. Mhm. En matière de vente commerciale, par exemple, le délai est de deux ans. en matière d'obligation commerciale, c'est de cinq ans. Il y a, une forme, euh, maître, il y a une forme d'infraction. On dit par exemple les infractions continues. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut expliquer Oui, les infractions continues, c'est les infractions qui n'ont pas cessé d'être commises. Mhm. Donc, jusqu'à la date de la prise de connaissance de cette infraction, on peut poursuivre même si ça a pris effet depuis plus de 100 ans. Si ça continue de courir aujourd'hui, on peut poursuivre, on ne peut pas parler de prescription. Les exemples, par exemple. Des exemples. par exemple, une, infraction continue. Par exemple, euh, je peux parler d'escroquerie, par exemple. L'escroquerie, même, c'est une forme de truc. Une personne peut à travers des qu'ils qu'il escroquer une tierce personne, c'est-à-dire lui suturer frauduleusement ou sur la base des mensonges des fonds, la relation continue entre eux, cette manœuvre continue toujours et l'autre partie est en train de profiter frauduleusement